Aja, Zoom, assalamu alaikum rahmatullah, assalamu alaikum chers spectateurs, assalamu alaikum aussi le monde de la en entier de nous, euh, les amateurs, les promoteurs de lutte en activité, de l'Inzer Bach, de l'Inzer Sen Wachuay. Atia, nous sommes allés nak ci euh, waxtanu lamb rek tay duñ ko wax émission njoktor mais waxtanu lamb concernant euh, le tournoi de beach wrestling bi nga xamantene mo amone fi ci Sénégal euh, pour sa deuxième fois muy am deuxième édition bi nga xamantene tournoi beach wrestling la euh, première fois bi mu ngi amone en Tunisie à Mamé. Sénégal de Montfa Amon, euh, une récolte de 8 médailles. 8 médailles, bi, 4 médailles en or, 2 en argent et 2 en bronze. Euh, 8 médailles, mon, la Sénégal de Montfort Amon, en, Tunisie, c'est la première édition. Deuxième édition, la Fédération Bitan, le Sénégal. Euh, c'est euh, une lutte qui doit se tenir au bord de la mer. 8 plages, 8 luttes plages, beaucoup de plages mais bo xoolee li tax ñu indi ko arène nationale arène nationale dafa am commodité wu euh, beach wrestling parce que euh, beach wrestling li tax ñu ko yóbbu plage moy suuf si moo gën tax te franchement euh, souf bo soxla wetu plage rek am nga ko arène nationale donc arène nationale mën na accueillir beach wrestling bu baax baax parce que souf se doy na sikk macha équipe Sénégal bi nag mu ngi te ni la tëdde woon muy plus de 90 vingt euh kilos Mohamed Bayo la di général bu Malika ak Cheikh Ndiaye bu Jaxaw Cheikh Ndiaye du mas bu Jaxaw 90 kilo pap Ndiaye Sosox ak seni bu Barnier euh, 80 kilo nekon Mbaye Diop bu Palmarin ak euh, Mbaye Diop bu Palmarin la woon ak kan Mbaye Diop bu Palmarin euh, Mbaye Diop bu Palmarin ma ngi faté sax benen ki bi Mbaye Diop bu Palmarin 70 kilo nekon 70 kilo 70 kilo Euh, Adama Thior bu Gandiaye la ak euh, Cheikh Sadibou Sarr bu euh, Cheikh Sadibou Sarr Cheikh Sadibou Sarr ah je sais pas bu palmarès je pense si je ne me trompe pas légui ñu ñëw ci résultat résultat bi 50 kg women moy dame femme hein. troisième place bi ñu ngi nekkoon entre le Cameroun ak le Burkina Cameroun bé mi Mamadou ñoo jël troisième place Burkina bé bi jël quatrième place première place c'était entre l'Algérie et le Sénégal euh, l'Algérie et Sénégal Sénégal a une première place en médaille d'or bi Naomi a eu une médaille d'or L'Algérie a bi une deuxième en médaille euh, d'argent euh, ñu Nous 60 kg d'âme toujours 60 kilos troisième et quatrième place la Namibie c'était entre la Namibie et l'Égypte Namibien a eu une troisième place bi a bi une quatrième place première et deuxième place une médaille d'or ak médaille d'argent c'était entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Euh, le Sénégalais, Mam, Marie du Sénégal, modèle médaille Orbi. bi euh, Bakayoko modèle médaille de médaille d'argent. Donc euh, toujours en dame, nous avons 70 kilos, 70 kilos troisième et quatrième place. C'était entre le Burkina et le Togo. Euh, Burkina Baby, moo 3 troisième place médaille de bronze euh, togolais bi moo 4 quatrième place quatrième place de médaille euh, donc bi ñu première et deuxième place c'était entre le Sénégal et le Sénégal et le Centrafrique le Sénégal sénégalais bi Safiatou Goudia bi moo premier avec une médaille d'or centrafricaine bi jël deuxième avec une médaille d'argent plus de 70 kilos parce qu'en women 70 kilos plus de 110 kilos hein. plus de 70 kilos troisième et quatrième place c'était entre entre le Burkina et le euh, Sud-Afrique Sud-Afrique entre Sud-Afrique et Burkina Burkina Burkina Burkina Baby, bi moo le troisième sud j'ai bi jël euh, quatrième entre première et deuxième place c'était entre le Sénégal et le Nigeria. mais il faut, Sam bi nga moi représente le Sénégal dafa le ñàkk jël médaille d'argent bi euh, Niger Nigéria bi Nigérien bi j'ai mujjee jël premier avec une médaille de avec une médaille d'argent ñu en garçon. Euh, par garçon, 70 euh, kg l'a commencé, 70 kilos, troisième et quatrième place. C'était entre le Tunisie et le Sénégal. Et euh, Tunisie et Sénégal, Amadou Chor, Adama Chor du Maïs du Sénégal, modèle médaille de bronze bi Tunisien modèle donc quatrième donc avoir une médaille. première et deuxième place c'était entre la Côte d'Ivoire et le Niger. Niger Côte d'Ivoire Ivoirien modèle médaille médaille or bi Nigérien bi médaille d'argent 80 euh, kilos en troisième et quatrième place c'était entre la Gambie et la Guinée-Bissau Gambie a moo jël médaille de bronze médaille de bronze bi troisième première à deuxième place c'était entre le Sénégal et le Burkina aussi euh, Sénégalais euh, a Diop premier avec une médaille d'argent euh, Burkina bi Diallo jël deuxième avec une médaille euh, une médaille d'argent en 90 kilos troisième et quatrième place l'Égyptien euh, entre l'Égypte et le Bénin. L'Égyptien le troisième avec une médaille de bronze, première et deuxième place, c'était entre le Sénégal et le Sénégal aussi. on peut dire 100% Sénégal. 90 euh, kilos, c'est entre Séni et Pape Ndiaye. Pape sort première avec euh, une médaille d'argent et Séni Semen deuxième avec une médaille d'argent. plus de 90 kilos, troisième et quatrième place, plus de 90 kilos. C'est entre le Burkina et le Cameroun. Euh, Burkina Faso, Modèle jël euh, troisième avec une médaille de bronze donc euh, première et deuxième place c'était entre le Sénégal et le Sénégal on peut dire là-bas 100% Sénégal aussi plus de 90 kilos première place et deuxième place général Boumalika, Modèle place avec une médaille d'or Cheikh Diagne médaille d'argent bi deuxième donc bu ñëwee ci classement euh, classe euh, donc on peut dire là-bas euh, le Sénégal a le Sénégal donc classe bi Sénégal Naomi Sambo amna médaille or maman Marie Sambo amna médaille or Safiatou Goudjabi amna une médaille or Anta Sambo amna médaille médaille argent donc Adama Thior aussi amna médaille de bronze 70 kg Mbaye Diop 80 kg médaille or la am Pape 90 kg euh, euh, non, Baye Diop, or avec 80, euh, 80 kilos, Pam Ndiaye Sosa 90 kilos am or, Général Boumalik plus de 90 kilos am la médaille or, Séni Semben, argent l'âme en 90 kilos, donc Cher Diagne argent l'âme plus de 90 kilos. Donc a aussi Cameroun, faut que un un garçon, hein. Cameroun am médaille de bronze l'âme 50 kilos garçon yi amuñu dara foofu jigéen ñi mu am ben Égypte aussi jigéen amuñu garçon yi ñu am góor ñi ñu am ben médaille de bronze 90 kilos Côte d'Ivoire ci jigéen Bakayoko mo am médaille d'argent 60 kilos euh, góor Lago Moam, am euh, médaille or en 70 kilos aussi hein, Burkina aussi jigéen euh Ben médaille de bronze la ñu am en 70 kilos euh, am ben médaille de bronze encore en plus de 70 kilos donc bu ñëwee ci toujours ki nga xamantene Diallo euh, médaille d'argent en 80, en 80 kilos. Euh, médaille de bronze aussi plus de 90 kg euh, bi Namibie Namibie aussi jigéen Euh, 60 kg kilos médaille de bronze Gourni dara Algérie médaille argent en 50 kg Gourni ñi Centrafrique aussi jigéen ñi médaille argent en 70 kg Niger ñu ñëw Gourni amuñu argent 70 kg. Euh, Guinée-Bissau aussi, euh, médaille de bronze en 80 kg Donc, le euh, classement général, le Sénégal a 6 médailles en or, 3 en argent et 1 médaille en bronze. Donc, en tout, le Sénégal a récolté 10 médailles. L'autre fois, la première édition, Sénégal, 8 médailles 4 en or, 2 en argent et 2 en bronze. Mais cette fois-ci, le Sénégal, or la, la, la parce que la totale, mais médaille or la Donc le Sénégal a 6 médailles en or, 3 euh, en argent et 1 médaille en bronze. En total, ça fait 10 médailles. Euh, le Burkina, Burkina a une médaille en argent plus 3 médailles en bronze. La Côte d'Ivoire, 1 médaille en or et 1 médaille en argent. Euh, le Cameroun a un médaille de bronze, l'Égypte, un médaille de bronze, la Namibie, un médaille de bronze, Algérie, un médaille d'argent, Centrafrique, un médaille en argent, le Niger, un médaille en argent. Et euh, la Guinée-Bissau, ben médaille la bronze. Lolu mo nekkoon ben récapitulatif bi nga xamné mom lañu def rek di wax chapeau au Sénégal parce que franchement euh, cette fois-ci c'est la plus bonne que l'autre fois l'autre fois bonul sax mais euh, parce que donc euh, chapeau à l'équipe du Sénégal de beach wrestling chapeau à Général Malika chapeau aussi à toute l'équipe Cheikh Diagne Semben, Pape Ndiaye tout toute l'équipe toute l'équipe chapeau aussi aux filles hein, parce que fii jigen aussi benn médaille or rek la ñu moy ki moko moo ko ñàkk euh, di féliciter toute l'équipe, di féliciter l'équipe di féliciter aussi l'encadrement, le staff ñu ngi leen di féliciter bu baax baax surtout le coach Lato hein ñu ngi koy féliciter bu baax di ko xone ñu ngi ko jox rendez-vous nak dañ ko fekki inshallah ci Ekrem euh, dans peu de temps euh, c'était cette émission. waxtaanu lamb la woon avec ñak Albert mm, ci concernant le tournoi de beach bi tournoi beach dafa am particularité bi ci am bi ñu remarquer parce que amul euh, amul tak ngem culotte ngay sol ba paré appui bo def point là, ba mu dess loxoy bo boo genou c'est un point ton adversaire va manquer un point bo tegee fesses point là, bo tegee bo daano ni point là, mais amul chute bu particulière boo xamante ne trois points la victoire, victoire muy nga daanu complètement sur le dos quand quand tu tombes complètement sur le dos lolo, tu vas marquer 4 3 points, une victoire. Tambi aussi, il y a une particularité aussi par rapport aux luttes africaines, par rapport à la lutte simple. Parce que 3 minutes là, il n'y a pas de prolongation ni mi-temps. Il y a prolongation, il y a mi-temps. 3 minutes, qu'est-ce que ça donne 3 minutes, 3 minutes, il doit y avoir un vainqueur. Donc, c'est ce qu'on l'Union ñuy jotoon a attendu tout règlement et franchement il y avait une très grande absence euh, du public amuloon public je ne sais pas exactement ndax euh, manque de communication par rapport au tournoi euh, publicité mondiale ou bien approche tabaski de tabaski simple publicité TV TV. TV TV lim ci mën ci publicité amone ben chaîne télévision bu ko mën fi à Sénégal parce que bo xolé en général mën na xane presque euh, chaîne télévision yu bëri ñu bëri seetaatuñu seetaatuñu télé ko dem karamté en général bu seetaan aussi ci téléphone am lay nek parce que téléphone lo bëgg a mu ko ci xol donc bëri simple bi jot nañu yox gët bi war bu dé drapeau chef de l'État ça c'est un bëri simple la li ci war nañ koy jox les TV TV ñu daf ko am nañu suñu président muy Kor Diaye Mamadou Ndour Diaye bu ngeen ko contacter dana leen wax fi ngeen wara jaar yépp ni ngeen wara def ba nga xamantene li ngeen ci bëgg yépp dina ko am li buñ ko jotoon à deux jours de l'événement sax à deux jours de l'événement kon du demee nii kon estal bi day fess dal mais franchement mën naa wax ne presque général Malika rek moo fa indi benn public boo xamante ne euh, mën nañ ko wax te franchement amuloon public waaw nag seen émission waxtaanu làmb la woon concernant euh, le tournoi du beach wrestling deuxième édition bi di ñaan nag na dem ba nekk ay mille éditions franchement je suis champion d'Afrique de la ce qui est médaille en or parce que amuna sax wa Angleterre yu fa nekkoon donc est ce que champion d'Afrique de wax champion du monde de wrestling la ou bien je mon dama ko ki na ko autant de ko tontu ci question champion du monde lay donne ou bien champion champion d'Afrique parce que ce n'est pas seulement les Africains qui étaient là-bas il y avait il y avait il y avait presque d'autres pays qui étaient là-bas des pays européens parce qu'on a vu là-bas des ñu jógee ba Angleterre franchement euh, champion d'Afrique Afrique ou bien champion du monde en Bish wrestling. Adja une émission avec Niak Albert concernant le drapeau de Bich wrestling franchement Béchi, ci numéro Inch'Allah